chers téléspectateurs de Precis TV, avec votre site internet www.precises.com. Merci de nous suivre sur votre émission Precis Éducation, Yaro Yete. Toujours en compagnie de notre consoeur Diary Kamara. Diary, bonsoir. Bonsoir, M. Diary Kouate. Ravi de vous retrouver dans votre télévision Precis TV. Et je suis également honoré et ravi aussi de recevoir aujourd'hui un invité de marque, M. Mansour que je vais vous permettre de, le présenter. Pourquoi Les raisons, vous le saurez tout à l'heure. Bonsoir, M. Dior. Merci, Diary. Aujourd'hui, dans votre rubrique euh, Invité du jour, nous recevons sur ce plateau de Précise Éducation un grand monsieur. Il est le directeur de l'INEVIA, un inspecteur de l'éducation, M. Mansour Dior. Monsieur Mansour, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, M. Lafay, bonsoir aussi, Mme Kébé Diary Kamara et bonsoir à tous les téléspectateurs de Prestige TV qui nous Merci, Monseigneur Monseigneur, en tant que directeur de l'INEGIA, euh, pouvez-vous nous parler un peu de cet institut et le rôle tant important que vous jouez euh, Merci, Monseigneur L'Institut d'éducation et de formation des jeunes aveugles est un institut qui est spécialisé dans l'éducation et la formation des personnes en situation de déficience visuelle. Euh, disons que c'est le seul institut du genre Mhm. au Sénégal, mhm. euh, qui est euh, d'abord une école spéciale, mhm. mais aussi euh, qui a l'expertise en tant qu'apprenant technique du ministère de l'Éducation nationale de gérer l'éducation de cette cible-là. C'est un institut qui est créé en 1981, 82, sur l'initiative bien sûr de l'UNAS, l'Union nationale des avocats du Sénégal, en partenariat à l'époque avec le gouvernement d'alors. C'était du temps de M. Leco Sédar d'Arsène Euh, bien entendu, L'Institut est né dans un contexte particulier où les aveugles avaient envie de mettre en place, ils l'avaient même déjà mis en place, un cadre, programme pour la promotion de la personne handicapée visuelle au Sénégal. Et dans ce cadre-là, il y avait bien entendu un rôle éducation. C'est dans la poursuite de ce rôle déducation là qu'est né euh, l'Institut. Euh, aujourd'hui, l'IDEFJA a une ambition, euh, en tout cas assez, assez diversifiée, mais qui soit une ambition parfois difficile aussi à atteindre. Mhm. Parce qu'en tant qu'unique institut, pour qui connaît le taux euh, d'évolution du handicap visuel au Sénégal et particulièrement à l'est du pays, mhm. euh, un seul institut qui est en charge d'éducation des jeunes, euh, on peut dire, a du pain sur la planche. comme offre d'éducation, l'INEFJA e propose trois types d'offres. Mhm. La première concerne l'enseignement élémentaire, où il accueille les enfants euh, d'âge scolaire de 6 ans à 14 ans, à qui il offre un programme de formation, bien sûr, qui relève du programme normal de l'enseignement élémentaire au Sénégal. Mm-hmm. Et ces, enfants-là suivent toute leur formation mm-hmm. dans l'institut. Mm-hmm. Euh, il y a les salles de classe, il y a les enseignants spécialisés pour cela et qui leur offrent l'enseignement adéquat. Pour qu'à terme, donc en classe de CM2, qu'ils puissent subir les mêmes épreuves d'examen que les élèves des écoles ordinaires. Maintenant, euh, une fois que ces élèves-là réussissent à l'entrée sixième, et là, il faut dire aussi qu'ils font les mêmes épreuves. Pas de différence. Euh, l'adaptation qu'il faut maintenant est apportée par les enseignants spécialisés. Donc, je disais qu'une fois qu'ils réussissent à l'entrée sixième, vient la seconde offre, qu'on appelle l'enseignement intégré. Là, nous choisissons quatre établissements euh, des collèges d'enseignement moyen mhm. et deux lycées. Il s'agit bien sûr du lycée euh, Malixi, du lycée Jules Sagnan, des CM Mamoudou Diaw, Idrissa Diop, Jules Sagnan, Ousmane Gomé et Amadou Ce sont ces six établissements qui les accueillent dans un programme qu'on appelle programme intégré. Alors, comment se fait ces enseignements-là Tous les jours, ils vont recevoir les enseignements dans le cadre du programme officiel du Sénégal, dans ces établissements. Mais ils le font dans le cadre de tout un dispositif. Et dans ce dispositif, il y a ce qu'on appelle les maîtres encadreurs, mhm. qui sont placés dans chacun de ces établissements pour servir un peu de courroie de transmission entre l'INEFJA et le corps professionnel de l'administration de ces établissements-là. Et en même temps, c'est eux qui se chargent de la transcription des euh, productions dans les deux sens. Mhm du noir vers le braille, du braille vers le noir. Et que ce sont des anciens de euh, ce sont des anciens de D'accord. Ce sont des anciens de Bien entendu, ce dispositif, il, constitue un pilier très important parce que vous savez, les établissements dont j'ai parlé tout à l'heure euh, ont des professeurs ordinaires, C'est pas des professeurs spécialisés. Effectivement. Eux, ils déroulent les enseignements. Euh, mais l'adaptation que cela demande pour que l'appropriation par l'aveugle soit aisée, mhm. ils n'ont pas cette formation-là. Donc, c'est c'est ce qui explique la présence de ces encadreurs. D'accord. Mais ce n'est pas tout, parce que l'encadreur, son rôle, c'est bien sûr l'accompagnement, l'encadrement, aide et soutien aussi en faveur de la rue, mais la discipline en tant que telle, mhm. du point de vue de ces, connaissances ésotériques mhm. liées à ces disciplines-là, il ne les possède pas forcément. Effectivement, Voilà ce qui, fait, ce qui fait que dans le dispositif, nous avons au sein de l'établissement des professeurs de toutes les disciplines, qu'on appelle professeurs spécialisés. C'est eux qui se chargent dans un programme et un emploi de temps aussi déterminé à accompagner, à adapter, à renforcer, afin de permettre aux élèves déficients visuels, une fois de retour à l'école, euh, de rattraper un temps soit peu ce décalage qui les sépare de leurs camarades voyants. Mhm. Parce que imaginez, je donne tout un, un exemple, un enfant qui suit, un élève aveugle qui suit un cours de géographie, où le support didactique déjà porte sur un tableau avec des couleurs en noir ou bon. Vous voyez mhm. Comment est-ce qu'il peut comprendre ce que le professeur parle Lui, il n'a que ses oreilles pour entendre. Maintenant, l'avantage que les autres ont sur lui, pour qu'il puisse les rattraper, il faut qu'il arrive à l'énergie afin que ce qu'il avait perdu au niveau des yeux, qu'il le rattrape au plan tactile. Nous avons là-bas des, types de cartes, en tout cas, et d'autres adaptations mhm. que le professeur peut faire pour lui permettre de comprendre ce qu'il n'avait pas été lorsqu'il était dans ces classes-là. Troisième et dernière offre de formation, ce sont les aveugles qui ont dépassé l'âge scolaire et que nous voulons tirer de la mendicité. Mhm. Ces aveugles-là, bien sûr, euh, nous les recrutons et leur offrons un programme de formation sur deux ans, mais dans trois filières, euh, en télécommunication, pour ceux d'entre eux qui ont un certain niveau d'instruction, en brosserie et mhm. en tissage. Et à l'issue de, ces, deux ans-là, on leur délivre une attestation de formation qui leur permet en tout cas d'être recruté par ceux qui en auraient besoin. Ben Ou bien en tout cas qui leur permettra de pouvoir témoigner partout de leur capacité à faire quelque chose. Tout cela pour les aider quand même de de la maladie. Euh, bien entendu, euh, le problème de leur insertion mhm. c'est forcément un problème, mais ça dépasse les compétences de l'INEFJA. Donc voilà en gros les trois offres de formation euh, que l'INEFJA poursuit à travers cette ambition dont j'ai parlé au début de mon propos. Oui, vous nous avez déjà exposé donc, euh, le format donc, euh, de la pédagogie, c'est-à-dire les dispositifs de pédagogique à prendre au niveau de l'INEFJA. Mais aussi, vous savez que ces enfants-là entrent à l'INEFJA à l'âge de 6 ou 7 ans et ils vont quitter à l'âge peut-être de 19 ou 20 ans, Inch'Allah. Donc, il y a aussi une autre éducation qui vous incombe aussi. À part les, les, enseignements apprentissages, il y a une autre éducation. Quel est le rôle que l'INEFJA joue par rapport à l'éducation de ces enfants-là pour ce d'âge Très bien, c'est une question très importante, euh, Madame Diary. Parce que vous savez, quand on a euh, entre un enfant de, 7 ans, bien entendu, il faudra qu'on se pose une première question. Quand sera-t-il du socle de son éducation qui est la famille. Parce que prendre un enfant de 6-7 ans, le mettre en internat, c'est le couper euh, d'un maillon très important de la chaîne d'éducation dont il avait bénéficié en tant qu'enfant parce que la famille est la, la cellule euh, de base de la, société. Mhm. Donc, c'est dire que l'INEFJA va encore avoir un, énorme problème. Voilà pourquoi je vous disais tantôt que son ambition parfois est démesurée, me semble démesurée. Parce que remplacer totalement une famille, avoir aussi euh, euh, pour rôle de dispenser des, enseignements, donc rôle d'enseignement mhm. et rôle de formation et d'éducation euh, c'est vraiment une ambition démesurée. Ah Et là, bien entendu, vous, imaginez qu'on aura beaucoup de problèmes, de sorte même que euh, parfois il arrive qu'on se demande est-ce que c'est pertinent de faire ce choix-là, de mhm. prendre des enfants à cet âge à l'étranger euh, Parce que nous, nous ferons notre bien bien entendu nous avons un cadre où il faut, on va déployer des activités qui, permettent en tout cas d'assurer l'éducation de ces enfants-là. Je pense un peu euh, non seulement aux enseignements apprentissage, mhm. mais aussi aux dispositifs social. Donc il y a, des, femmes qui, vraiment ont montré un engagement aujourd'hui vraiment de, de reporter qui nous permet de penser que ce sont des femmes vraiment qui ont tout le profil qu'il faut pour les accompagner. Mais est-ce que cela est suffisant Vous me direz tout de suite non, parce qu'une mère, est irremplaçable. Effectivement. L'idéal serait à l'image de leurs autres camarades, qu'ils puissent aller fréquenter l'école, mais à chaque fois descendre et retourner auprès de leurs parents, ah. auprès de leur cadre familial, mhm. parce que ce cadre familial est irremplaçable. Donc c'est pour dire que, quel que soit le reste, euh, l'outillage de, de, de, quelle que soit l'ambition et l'engagement de son personnel, euh, le ah, problème de l'éducation, vraiment cet aspect de l'éducation va poser des problèmes. Mm-hmm. Et cela ne m'étonne pas euh, que chaque fois les gens, parfois se demandent, mais euh, pourquoi ces enfants-là ont ce, de conduite, ces comportements et mhm. Parfois même des gens les trouvent comme, comme, antisocial. Je me dis non, c'est ne pas comprendre le processus cursif. Parce qu'un enfant qui suit ce rythme-là pendant 13 mhm. années mhm. ne peut pas avoir un comportement euh, qui serait le même que celui qui a évolué dans un cadre familial. Il y a un manque qu'il faut reconnaître. Ce manque-là, il est là, il est là. Faudrait-il maintenant amputer l'enseignement élémentaire du système de l'énergie le débat est ouvert. Alors, mais eh, vous avez parlé de l'éducation au sein de, cet établissement, c'est-à-dire l'éducation des enfants euh, dans ce milieu de l'INEVIA. Comme Diary l'a dit, les enfants que vous recevez à partir de 7 ans et que vous accompagnez. Et quelles sont les difficultés que vous avez au niveau de l'éducation Peut-être c'est la communication ou bien la compréhension, parce que vous l'avez tout de suite euh, souligné. Les enfants qui quittent leur famille, euh, l'amour paternel qui vous manque, maternel qui vous manque, et vous êtes dans un autre milieu, et des non-voyants, quel est le problème que vous rencontrez, vous et votre personnel, au niveau de l'énergie, à travers cette éducation de ces enfants Le problème fondamental, c'est-à-dire peut-être au niveau de, la communication, peut-être les enfants ne vous comprennent pas, et sinon euh, ils viennent avec d'autres comportements, et je veux savoir les difficultés que vous rencontrez à ce niveau. Voilà, M. en tout cas, comme, difficulté, je mhm. crois que la première, mhm. elle est une difficulté communicationnelle. C'est tout à fait normal. La, communication, même avec nos propres enfants qui sont dans nos maisons, nous pose parfois problème. À une forte raison, euh, un enfant qui vient d'une autre région, euh, qui ne voit plus ses parents, ni ses frères, ni ses sœurs. Euh, l'autre aspect qui me semble le plus important est l'aspect psychosocial. Mhm. C'est important. Parce que aussi, ce qui, détermine les relations interhumaines, euh, peut-être que sont, sont, montrées au grand jour par la publication. Mais ce qui se trouve derrière dépasse la publication. C'est un problème psychosocial. Alors, donc le fait qu'il y ait cette, cette, rupture, cette rupture dans la chaîne d'encadrement, dans la chaîne d'encadrement de l'enfant, pose forcément une rupture aussi au niveau des relations psychosociales. Mhm. Donc, il y a une difficulté communicationnelle, mais aussi il y a une difficulté relationnelle, qui font que les enfants sont comme euh, parfois des, gens qui sont du coup rompus de leur milieu naturel, euh, transposés dans un milieu autre que le leur, et il y a un problème quand même de, retrouver ses repères. Parfois, c'est des enfants qui, qui en, certainement n'ont plus de repères. On sent, qu'ils n'ont pas de repères. Parce qu'un enfant va jusqu'à ne plus... Euh, respecter, en tout cas donner le respect qu'il faut à l'adulte, croyant que seuls les, membres, ce qu'il appelle les membres du foyer, ou bien en tout cas ses aînés, sont ses seules références. Ça montre que quelque part, au niveau de ses repères, il, a complètement perdu. Dans l'entourage, il ne voyait que ces jeunes-là. ils sont limités quoi Ils sont limités, ils sont limités. Or, ces jeunes qu'il voyait, en qui ils investissent finalement tout ce qu'ils devaient investir chez les parents, mais sont encore des jeunes comme eux, mhm. qui sont en phase d'apprentissage et de construction aussi donc euh, ne sont pas forcément imbus des valeurs qu'il faut pour pouvoir bien encadrer ces, gens. Donc, euh, en tout cas, voilà, à, ma connaissance, quelques-unes des difficultés qui certainement sont là d'être les seuls, Parce que c'est toute une combinaison de difficultés qui, font qu'aujourd'hui, parfois, on, on perçoit chez eux des comportements qu'on peut amputer mhm. au fait de les avoir prématurément détachés de leur famille. Est-ce qu'ils arrivent à accepter cet handicap Pardon Est-ce qu'ils arrivent à accepter cet, cet handicap-là Bon, accepter le handicap, là, peut-être euh, on peut se demander, se poser cette question-là s'il s'agit mhm. d'un enfant qui a été rattrapé par le handicap. D'accord. Parce qu'il y en a qui ont été rattrapés par le handicap, d'autres qui sont nés avec. Ceux qui sont nés avec n'ont pas de problème. Mais parmi ceux qui sont rattrapés par le handicap, ah, là, quand même, parfois, il y a des difficultés à les amener à accepter le au Comme vous l'avez dit, hein, c'est une combinaison de difficultés. Mhm. Mais comme c'est une et ça existe, les difficultés aussi, ça existe. Donc, on peut, demander s'il existe des mesures d'amélioration par rapport à l'éducation de ces enfants. Euh, bien entendu, il y a des, tentatives de mesures d'amélioration parce qu'aujourd'hui, nous, le modèle d'éducation que nous avons pour les personnes handicapées visuelles, et d'ailleurs comme pour les autres types de handicap, mhm. est le modèle de l'école euh, spécialisée. Je regroupe tous euh, les, enfants en situation de handicap dans un même milieu. C'est cela qui, ma foi, a beaucoup contribué à euh, l'évolution des, difficultés dont on vient de, de parler. C'est pourquoi, à travers le monde, euh, en tout cas, il y a eu un glissement mhm. sémantique de l'éducation pour les, aveugles et même d'autres choix, d'autres choix, d'autres alternatives, je voulais dire, qui ont mis en place une forme d'éducation qu'on appelle l'éducation inclusive cette, éducation et pour essayer de pallier ces manques qu'on avait retrouvés au niveau de l'éducation spéciale, qui faisait que cette rupture-là avait des conséquences fâcheuses chez les, enfants. Mm-hmm. Et euh, d'après cette éducation de manière très avancée, euh, pour rompre, en tout cas pour arriver à pallier ce, manque euh, au niveau relationnel, au niveau communicationnel, il fallait faire en sorte que l'enfant le, en situation de handicap puisse fréquenter l'école mhm. et rentrer chez lui, comme tout mon enfant, et conserver tout ce qu'il y a comme, comme faisceau de relations et canaux de communication nécessaires mhm. pour lui assurer une éducation de qualité. Et pour y arriver, il faut nécessairement aller dans le sens de faire en sorte que l'enfant puisse aller à l'école dans le milieu ordinaire au lieu d'avoir une école spéciale à l'image de l'INEFCHA, mmh. qu'il puisse aller à l'école la plus proche possible de sa maison, mhm. recevoir un enseignement de qualité et mhm. rentrer chez ses parents tous les soirs, comme, font tous les enfants. Ce type d'éducation, bien sûr, nécessitera quelques préalables. Mais aujourd'hui, comme mesure d'amélioration, c'est non seulement ce qui semble, en tout cas, prendre le, dessus au niveau international, mhm. mais au Sénégal aussi, c'est ce que nous sommes en train euh, d'expérimenter. Où allez-vous par rapport à ça oui, bon, aujourd'hui, c'est vrai que euh, par le passé, quand je dis par le passé, c'est un passé très récent, il y a 5-6 ans, il y a eu une expérimentation à banlieue de la Caroise, d'éducation inclusive, qui aujourd'hui aussi, euh, en tout cas, suit sa route. Mais nous, au niveau de l'INEFJA, en tant que bras technique du ministère de l'Éducation nationale, mhm. nous avons pu réfléchir sur un modèle, bien sûr, après avoir euh, procédé à des observations au niveau de l'étranger, voir un peu ce qui se fait ailleurs et en appui, euh, avec l'appui aussi de nos partenaires belges, et particulièrement de, de SHC, Sensoriel Handicap la Rochelle, mhm. nous avons pensé à expérimenter, et à développer un modèle qui, à terme, pourra être en tout cas un modèle à installer au niveau du territoire national. Et ça parle d'éducation inclusive. Euh, nous sommes en phase euh, expérimentale mhm. de, mise en œuvre. et cela nous amène aujourd'hui, entre 2017 et 2021, à créer des écoles, de classes inclusives dans quatre régions du Sénégal, mhm. qui, en dehors de l'INEFJA, vont accueillir des jeunes en situation de handicap visuel, mhm. leur offrent l'éducation de qualité qu'il faut et les insèrent dans des écoles qu'on va appeler écoles décentralisées, qui mhm. soient des écoles ordinaires, pour qu'ils puissent suivre leur enseignement là Mais est-ce que vous avez pensé au type d'enseignant indiqué euh, euh, pour l'accompagnement Mais oui, vous savez, type, type d'enseignant, euh, vous savez qu'au Sénégal, on n'a pas d'école de formation initiale pour les enseignants en matière de déficience visuelle. Mhm. C'est l'INEFJA qui assure la formation de ces enseignants-là. C'est pourquoi, dans ce programme de 2017-2021, mhm. il y a un volet construction de salles de classe que nous appelons des classes de transition qui vont les accueillir, mais pour un an simplement, question de mettre en place les rudiments, parce qu'en aveugle, on ne peut pas quand même, du coup, sous prétexte d'éducation inclusive, le balancer dans une classe ordinaire, ah, alors un beaucoup de l'éducation à installer. Parce que, imaginez, l'enseignement du c'est un enseignement individualisé. Et on ne peut pas, au moment où il faut euh, individualiser l'enseignement à 4 voire 5 avocats dans une classe, en même temps brûler les enseignements aux autres. Voilà pourquoi, pour nous, il est nécessaire d'avoir cette classe de transition d'un an. Donc, il y a un volet construction de salle de classe, mais aussi il y a un volet formation. Et cette formation va nous permettre non seulement de former les enseignants qui auront à charge l'éducation de ces enfants-là, mhm. mais de faire en sorte aussi qu'une fois de retour chez lui, l'enfant ne soit pas le seul capable de lire le braille chez lui. Il faut qu'il y ait un environnement lettré tactile autour de lui. On va former donc ses parents, ses frères, ses sœurs et ses accompagnateurs. Pour que demain, s'il a des difficultés, qu'il puisse tourner à gauche et voir quelqu'un qui puisse l'aider, comme l'aurait l'enfant de, Monsieur ça, c'est pas facile. Mais on, on, on, y est, on, y est quand même, <laughs> parce qu'on a pu identifier au niveau des quatre régions, d'abord les jeunes déficients visuels, mm-hmm. on, on a pu entrer en contact avec les élus locaux, et aujourd'hui, il y a toute une synergie autour de ce programme-là. D'accord. Euh, les, autorités administratives sont, sont impliquées, et même à Thiès déjà, on a été récemment reçu par euh, le maire de la, commune de Thiès, euh, à qui vraiment nous avons exposé tout ce que nous attendons de, en tant qu'accompagnement. Et les parents ont totalement adhéré à ce projet-là. Donc tous les parents qui ont reçu un certain niveau d'instruction sont prêts à recevoir bien sûr euh, cette formation, de même que de, accompagnateurs et, les jeunes qui sont autour d'eux. D'accord. Mais, damay damay dellu si waat parce que da ngay wax si difficulté yi ni maanaam yar bi ñuy yar yar xale yi ci biir internat parce que ku ne xam na ne internat dafa jafe maanaam xale yi ngay yor sa biir kër ñu jël la da nga yor ñaari xale sa biir kër rek déjà c'est ton problème léegi ñu jël plus de téeméeri xale jox la ko yow nga nga yor ko nga gàddu ko et ci biir difficulté yi da nga wax la parce que xale yi bu ñu seetee âge bi ñu jógee mooy 6 ans mais dama ni est que dooru woon gën parce que yaa ngi posé question ne est ñu jël baax na Madame, est-ce que vous mu mën a mën gën a wàcc si maanaam au niveau de l'INEJA est-ce que warul am préscolaire maanaam parce que les les comportements les valeurs dafa am benn base c'est la base l'éducation de base boobu bu fekkee ni INEJA daf ko assuré jóge ak xale yi je pense que ni yenn difficultés yi peut-être yi rencontré au niveau de l'INEJA est-ce que du xaw a tane maanaam ñu jël xale yi ci base âge bi am li yow li nga bëgg yow type d'élève bi nga bëgg type de citoyen bi nga bëgg ëllëg mu nekk ko mu élève INJA yi génn ko nga xam ne à partir maintenant ci préscolaire bi lay lay génnee day jebbi comme ça pour mën a jot ci kaw loolu ce nekk aussi benn solution par rapport ak sa difficulté yi nga fi cité léegi. waaw dëgg la soxna yi fenn am na fa ak yow boo mu ne di euh, doon euh, li doon gën a doon euh, solution moo doon ñu jéem a teel a tàmbalee njàngale. waaw mhm. dem ba si ji tout temps yi commencé ko si ñoom ci préscolaire. kooku dëgg la waaye bu ñu ko def si cadre bii ñu nekkee incha allah ndem. xale bi am mm. juróom-ñaari at la ñu am jafe-jafe pour yor ko ndax euh, soxla gi muy soxla ay waajuram rawatina ki nga xam ne kii tout tànk la daanaka ab ferantal mm-hmm. ndax xale préscolaire ku ne xam ne ne euh, ab ferantal rek. am mm-hmm. ñetti at. Euh, li ñu tuddee sécurisation pour mu pour xelam dal ndax comme gisul il faut mu yëg ne waajur baa ngi si wetam. Mm-hmm. kooku déjà bu déggee beneen baatu lu baatu yaayam di ko jur sax. nga gis mu commencé mu commencé jaxase la jaxase kooku noo koy mën a jëlee si école bu mel noonu da ko di ko def internat loolu sotti mm-hmm. donc mën nañu commencé waaye bu ñu ko def internat maanaam loolu INEFJA xalaat na ko baax a baax ndax moo tax ñu am benn programme boo xam ne ñu koy déroulé ak WBI yi ñuy wax valeur direction internationale mm-hmm. bu bu ñu xalaat càmbar ko ba léegi euh, commencé tàmbale njàngale mi mm-hmm. depuis si tout tànk tey nag mënaguñ koo yaatal waaye commencé nañ si ñetti école yoo xam ne ñu ngi si jëflante bu baax ak ñoom ndax tàggat nañu déjà seen i jàngalekat préscolaire mhm. muy école euh, case des tout de Fayoum école maternelle bu Balabé mhm. ak euh, école privée catholique bi rek Xombol mhm. donc boo gisee ñu wala si privé catholique bi tamit dañu bëgg a yaatal rek ndax xëy na am na waajur yoo xam ne la gën a dal seen xel mooy yóbbu seen école seen xale si si école privée même bu fekkee ne seen xale bi dafa am euh, dafa doon ak dafa doon seen maxa ma nag mën nañu lépp boobu des nag ne parent bi école sàngam nga yóbbu nga yóbbu seen xel li koy dalal dëgg dëgg dëgg. xëy na mm. du doon si inspecteur yi may si jàngalekat yi. Mm-hmm. xam nga xam nga mbirum jàngale. mbirum jàngale boo ko seetloo mbirum commerce rek la. Mm-hmm. njaay ak jënd rek la. dëgg la parce que ki nga xam ne ki mooy marchandise bi ko jaay moo war a fexe ba marchandise ba con. fekk jàngalekat yi nag tàgg defaruñu seen marchandise àmbale ko euh, def ko defaree bu mucc ay ba bu ñu ko joxee client bi mun koo jënd bu leen client yi wanee ginnaaw ñoo ko def seen bopp.

ak ak ba pare ba pare ba pare programme bi naru egg moo tax parent bi am na sañ-sañ ni fi ma jox sama xaalis te sañ ñoo grève te dinaa am résultat mooy li wax rek parent yi dañuy seetlu fa ñu amee résultat marchandise rek fi mu amee résultat fa lay dugal te ñoom ñaar ñëpp di ko waxee rek ka nekk ci privé bi mooy nekk ci public ba mooy jàngale fee mooy jàngale fii waaye enseignant bi fii la gën a jox gëddam ndax fa lay amee as tuut. dëgg la man su ko doonee marchandise dama soxla marchandise boo xam ne bii dama koy jëfandikoo lundi ba ba mardi. bu ma si dara manqué. Mhm. nga dem mun naa la ko jox. keneen dem am naa sama marchandise waaye marchandise bi kat lundi nga si mun am mardi doo ko am. dëgg la am vendredi am. waaw su ma dee tànn nag te man bee laa gën a itteewoo mooy def jaar yi. non man d'accord, ma ne man dama ne même système de contrôle bi nga xamante ni moom le privé bi ce def. Hmm. su fekkee tamit public bi aussi donc def parce que public bi tànn ñu n' qui teg ko ci bop école wala ci bop bop IAM wala ci bop IEF bi. Hmm. donc nous suñu def suñu utiliser le même système de contrôle. parce que aussi même bu faites que parent bi vous fay puis aussi on dit que public tam parent bi mooy fay. Hmm. ci naka la ñuy même bu fekkee état bu ñu fay état c'est entre guillemets l' état nous. c'est nous les parents c'est nous c'est nous. donc même type de système de contrôle bi de bu ko je pense que day kii apprentissage bi dañ ko def jàngale ci yoon ñu leen fàttali yéen seen émission Faces éducation yar yaru yeete ñu dal doon tey euh, monsieur Mansour Ndiaye directeur d'INEJA duñ ko bàyyi ba tey euh, dañuy delluwaat ci yaru xale yi rek euh, monsieur Mansour ci biir INEJA xale yi fa la ñu internet pour askan yoo xam ni dafa nekk ay xale yoo xam ni ñu ngi jàng INEFJA euh, xale yoo xam ne dañu ànd ak benn handicap muy handicap visuel euh, ñu nekk ci école boobu di fa jàng ñu leen fay yar donte jàng am na fa waaye yar am nga fa am na fa wàllu éducation boobu yéen difficulté ngeen ci am diggante xale yi euh, diggante parents yi ay diggante enseignants yi yow mi nga xam ne yaay njiit foofu ñu bëggoon nga leeral ñu tuuti rek difficulté yi nga am foofu ak yan sàkku ngay sàkku pour ñu mën ci am saafara. Euh, jërëjëf euh, sëñ Jawe maanaam jafe-jafe yi ñuy jànkonteel euh, mooy jafe-jafe yar. Mhm. parce que yar li mu ëmb dafa dafa dafa bari yar xëj na yeddan si yeeteeg si waaye nag aussi fexe ba nit ki am matuwaay yi nga xam ne moom lay soxla ba yedde beeg gerte boobu mun koo recevoir. effectivement si te fii ñun li ñuy jànkonteel si jafe-jafe bi jiitu mooy. xale yooyu ñuy jël ñu doon daanaka ay tuut tànk jël na si juróom-benn at juróom-ñaari at mais xale bu toll si at yooyu ku ne na ne euh, daanaka euh, moo ko tali ñoom rek. day soxla di nekk si pegg waaye juróom. Mhm. Euh, léeg-léeg day am yoo xam ne yi même bu ko dul gis mu mën di ko dégg. Mhm. si li koy li koy li koy liy suuxat ak yaram si la bokk. Mhm. mais yooyu yëpp day boole ñàkkandoo ko ndax dañu ko naan compet si biir njabootam. yóbbu ko si internat dootul gis ndey du gis bàyyi du gis mak du gis rak mhm. bu tourné ay moromu xale bi lay gis yo xam ne tanewu la ñoo bokk. Mhm. Euh, wala bok xale yo xam ñoko mak waye ko mag. Mhm. ko si walu éducation. ñooñu ñoy doon ay roy waay. mu doon lu doy waar. effectivement wu la dañ leen a wàcc sànni leen de déedéet waaye dafa fekkee rek ña fay nekk. mate wu ñu mate wu tax xale bu nekk ñu mën laa jël. toppatoo la mm. defal la si yow di war si sang ba mu set defar ni mu waree comme ni ko waajur defee ndey kenn da ko mun a remplacer. Mm-hmm. dëgg tax na man euh, jàpp naa ne jafe-jafe bu ëpp si INEFJA mooy li li li ñuy teel a dugal xale yi si internat loolu nag la muy wund mooy ah comme man fii laa ko fekk. Mhm. waaye man bu fekkoon ne man maa doon joxe xale. Mhm. du am juróom-ñaar mhm. moom kat moom inspecteur li mu na ne ko dund na ko ba pare daf ko dund. c' est vrai que a indi ñu teel boo xamante ne war na mën a gérer loolu loolu tamit moom mu nekk ci su ko waxee am na bu may nangu ko xam ne tamit loolu la. di di wax ne rek ña fa nekk tam même bu ñu fa fekkee tamit matewul. Mhm. personnel bi matewul pour ëmb ñëpp toog xale bu nekk tam parce que xale bi foofu enseignement personnel la individuel la. Mhm. maanaam benn xale dafa war a nekk benn xale benn benn personnel mhm. mais loolu bu nekk ku ne ni ah, tamit salaire yi tamit mënuñuy engagé ñëpp mënuñu ne loolu tax bu ko waxee tamit sur le plan tamit financier aussi maanaam kenn ku ci nekk benn kii ku ci nekk rek nga nekk fukk. pour mën a jëriñ xale yi fa nekk je pense que loolu moom bu ko waxee en

muy solution bi nga xam ne ni moom la ñu jël di ko def si turu si si diggalu gouvernement Sénégal. Mhm. ministère de l' éducation nationale. Mhm. muy tasaare ñu tudd éducation inclusive ndax waa Thiès danañu gis ren. Mhm. ñu dugg si école bi ñu tuddee Serigne Assane Fall. si Taaxi Kaw. ubbi nañ fa classe boo xam ne bii li ñu rek mooy li ma wax léegi. fexe ba silmaxa bu ndaw bi dootuñu ko jël tàqale ko ak ay waajuram. jërëjëf jox ko façon jàngale boo xam ne bi dana mën di jàngale di wàcc di fekkee ay waajuram loolu nag ñu ngi koy commencé di tàggat. Euh, si Thiès. Kaolack Saint-Louis ak Ziguinchor. Hmm. bu Thiès bi nag ren ñu ngi koy tàmbali Sëriñ Assane di ñaan yàlla rek parent yeeg autorités yeeg ñëpp jàppale si INEFJA ba mbir mi gën a yàqu bu ëllëgee mu law ba mun a lal si si Sénégal yëpp. amiin amiin amiin amiin ndax loolu la ñu mën a def pour que vraiment sunu xale yi seen max yi euh, seen njàng doon njàng bu mucc ay hmm. ñu mun a recevoir njàng bi ñu war a recevoir te du ñu tàqali ak seen i waajur. effectivement trois la boo xam ne bi ñun ñoo leen koy rek te dañu war a def lépp ba droit boobu vraiment ñu mun ko am. jërëjëf koy sant koy gërëm. donc ñu ngi sant di gërëm d' abord ah, yéen ñi nga xam ne yéen ñu invité si émission bi. Mm-hmm. muy Diawé euh, Ndiaye di di sant aussi kilifay kër gi. Mm-hmm. ak seen équipe. yi leen jàppale yëpp. Mhm. Euh, mu ngi si caméraman yi caméra caméra woman yi. Mhm. donc bàyyiwuñu kenn. vraiment di rafetlu trop initiative bi nga am pour euh, woo ñu waxtaanee si lii. Mhm. ndax mbir la moo xam ne bi defe naa ñoom suñu waxee bés bu ñu ko déggee sax. danañ si kontaan te nañ leen gën a naw. vraiment di ñaanal yàlla Prestige TV yàlla na ko yàlla gën a développé. saxal ko ndax yéen a ngi defal askan bi loolu lu am solo muy di leen yee euh, di leen yedd di yee tey si si mbir yi nga xam ne moom la ñu soxla pour mun a mhm. sant ñëpp di gërëm jërëjëf monsieur Ndior jaari sa kàddu gu mujj. waaw ah, sama kàddu gu mujj moom bu mu daanalee rek fa laay jógee di wax ne Prestige éducation moom daf fi nekkal ñëpp la fi nekkal askan bi yëpp bàyyiwul kenn képp koo xamante ni daal te éducation daf la soxal mi ngi fi ni mu ko waxee rek suñu mbokk ñi nga xamante ne mooy simax yi tey nañ kontaan dinañ xam ne jox nañ leen seen wàllu aussi ci plateau bi te defe naa ki leen fi représenté tey mën na représentation bu mat sëkk mhm. des inspecteurs Mansour Ndior ma koy gërëm de passage participer lu baree bëree bëri sama formation c' est un conseiller personnel à moi c' est aussi di ko gërëm di ko sant ci oyof gi mu oyof nag parce que depuis semaine bi yëpp dañ ko sonal mais tey dafa xeexal bopam pour ñew tok ci plateau bi mhm. ni ko ko réussir niveau bi yalla yalla yok non mhm. di sant di gëreum ki nga xamanteni aussi moy kilifa keur gi dañu di ni Pape Bouya sama directeur ngi ni nak mo ngi ni moy Mansour Ndior di sant madame Diakhaté miriam Papa Ndiaga ma ngir ñep ñëpp Gueye Teranga macha allah di sant nak sama may mbokk personnel waa INEFJA mention spéciale merci jërëjëf jaar yi merci mbokk téléspectateurs yi seen émission précise éducation tay dalaloon nak kilifa gu mag muy Mansour Ndior inspecteur de l'éducation des directeur de l'INEVIA tey ñëwoon ci yaru xale ci biir INEVIA eh, lii technicien Ndiaga di Myriam di madame Fatoumata des di itam réalisateur ñu Pape mi nga télévision bi eh, jox dig benen yoon ci benen émission éducation yar yaru yété ba